Voilà, 13e édition tournoi Jogan 2022. Voici la délégation, la FIFA avec les parrains. Ils sont là. On est le 1er janvier 2023, nouvelle année. Aïssé Djambar voici AC Djamba. Ils sont là pour la grande finale. Ils sont habillés en Tchossan, on dirait. AC Djamba, ils sont habillés en de Serrer. Là, c'est la, la de Serrer dans le football. Voilà le grand arbitre, Moussandong, avec Gibi pour la grande finale. Voilà, c'est Sen, troisième arbitre. AC Poutillon. AC Poutillon envers. Pour la grande finale. Falissar, a número 5, Alumaka. Voilà, Yaya. Chez nous. kifo. Nous avons lancé Gambar. Alors, nous avons Alimbang. Alimbang. Lamoun John. Seko Sar. Banyas. Modun Dong. Abdul Karim. Alimbang. Diouf. Modun Dong. Yusuf Jai. Mansour Mbaye et enfin Mahrez. Mahrez de l'équipe Diamba. Alors nous avons les le banc tout à l'heure. Aladji Abdoulaye, Bor Ndong, Ibrahima Ndong, Papouf Ndong, Sidat Cissé, Pape et enfin le coach Insa Alors pour ASC Cotulio, le 11 de départ. Nous avons Mohamed Suleiman Dong, Sidat Sar, Abdoulaye Ndong, Suwan Dong, Alajim Musa Ndong, Babakar Sar, Fali Sar, Famusa Ndong, Abdou Aziz Dong, Famaran Et pour les remplaçants, nous avons Maïga, Alvoussé Ndiaye, Adam Ndiaye, Yaya Sane, Ousseinou Diouf, Ibrahima, Mati, et enfin le coach Moussa, Moussa euh, Le match sera arbitré, par le grand arbitre Moussa Ndong. Alors, revenez, s'il vous plaît. On a Djibin. Djibin Dama à droite. On a Sekoussen. Revenez, revenez, s'il vous plaît. Avec le président de la commission citative, Ousmane Diaye. La délégation Ousmane du parrain. Le président de la commission citative. Ah, en même temps. Et l'équipe parrain, bienvenue. le président en La délégation du parrain et la commission sportive. Le coup d'envoi sera lancé par le parrain Aïssé Doligi. Voici, ça c'est le football. La grande, ça c'est la grande finale qui opposera A.C. Jambar en jaune bleu et A.C. Potillon. Le match sera arbitré par le grand, le grand arbitre de Djogan Moussandon. Le coup d'enfant sera lancé dans quelques minutes. ok euh, qui a une fois mouillé le maillot ici dans cette pelouse avec l'équipe Étoile Rose si vous vous rappelez. Alors, s'il vous plaît, une minute de silence. Merci. Merci beaucoup. Merci. kon ni ko yàlla def fii mooy li gën mooy li gën c'est une la mémoire de a quittés, qui la fin de l'âge. rencontre Voici le banc de avec leur coach. Sanyaï, voici le banc de ASC pour la grande finale, 13e édition 2023. On est le 1er janvier 2023. Attention. Et de doubler pour la dernière marche. Pour la dernière marche, autant pour moi. Abou Khadr. Attention, profondeur avec le numéro Jambar, attention. Surprise. Cela a Voilà, on est à la grande finale. Aïssé Gambar, Aïssé Potillon. Les amoureux du foot sont là. Ils sont venus pour regarder le match, la grande finale IC Jambar, ASC Potilion. ASC Jambar 1. Voici l'ambiance de Jambar. ASC Jambar sont là. L'ambiance de Jambar. Là, c'est la Chosan. Chosan Serré. Ils sont en rouge. Elles sont en rouge. de Jabar li mën 1 bi à 0 la grande finale Oh, yeah. On est là pour la grande finale. assez Djambar, AC Petit Lion. Malgré il fait chaud, mais les amoureux du foot sont là. Ça joue. Sajun, 12 Babacar Sar Soa Semedo Wow, wow. Sazou Semedo côté Jambar Sidar Sar Fali Sar ça dégage Fali Sar Semedo Semedo Semedo relance Soua le ballon ne sort pas Soua Souandong Adi Ali Diouf Abdou Dieya Babacar Sarr Pamou Sandong Famara Woza Woza Woza Dans le côté Ça anime Fali pour franc pour AC Poutignon. AC Djambar comme il faut. Les amoureux du foot sont là pour suivre la grande finale qui oppose AC Djambar à AC La 13e édition. On est le 1er janvier 2023. Les amoureux du foot sont là ah, c'est la grande finale qui oppose Djambar Diambar ASC Potillion. voilà malheureusement ils étaient dans la compétition AC Diapo mais malheureusement ils ne sont pas en finale pour cette année allez ça joue au niveau du terrain joueur à terre Le jeu continue. Aïssé Djambar, Aïsé Poutillon. Toujours un but à zéro. Voilà, les amoureux du foot sont là. Les amoureux du foot sont là. Malheureusement, ils étaient dans la compétition. Là, c'est mardi. Là, c'est mardi. <laughs> Il faut détruire mon téléphone. Eh, Il est... Le tenant du titre sont là. Ouais. IC Disco, le tenant du titre. Regarde le premier tour, elle est là, les deux garçons. <laughs> Il était éliminé en demi-finale. Le tenant du Vassi, le capitaine Madindong. Malgré une grande performance. C'est nous qui prend 2022. 23, 23, 2023. Malheureusement, il a été éliminé en demi-finale. Par IC, par IC Jamba. Ah, par AC ah, Voilà, le tenant du titre. Et notre équipe, Malgré leur performance, malheureusement, nous, malheureusement, et Ndiaye, Bassirou Diame. Bassirou Diame, il était comme Sadio Mane, il était forfait par blessure. Malheureusement, il n'a pas participé à la compétition. Malheureusement pour AC Disco, le tenant du titre. Voilà, on est à la 13e édition, la grande finale. Aïssé Djamba, ça joue, ça joue, ça joue. Soulemboum, au duel, ça joue. Il y a faute pour, pour Aïssé La grande finale, c'est aujourd'hui. Les amoureux de foot sont là. Aïssé Diapo. Voilà. Malheureusement, il était dans la compétition. Lewandowski. Voilà, qui essaie de masquer. Voilà. Lewandowski. Mais malheureusement, il n'est pas, qualifié, pas qualifié en finale. Rakadou, voilà langue, Mido. Les amoureux du foot sont là, présents, pour suivre le match, la grande finale. Ça joue. Attention, attention, c'est Mido qui dégage. Ali, Ali Fanyay. Youssouf Voici le banc d'AC Poutine qui est mené 1 but à 0. Avec le coach Mustapha. Ils sont là parce qu'ils sont travaillés. Ils sont performés pour venir en finale. Ils sont là. AIC Poutine. On est toujours à la première mi-temps. Jour à terre. Ça joue. Ça joue. Ça joue. Arbitre qu'il n'y a rien. Ça joue. Sans joue, il n'y a rien. Il y a quoi, arbitre 6 mètres. 6 mètres. Ils ont performé pour venir en finale. Ils sont là. On est à la 13e édition de la grande finale. La délégation est là. Attention. Cornel, pour laisser Jambar euh, à la dernière minute de cette rencontre. Attention, ça peut porter ah un deuxième pied. Hein. C'est dangereux, attention. Là, c'est petit lion. Faites attention à cette euh, frappe de l'autre La tête, attention. Ah, Cornell. C'est 6 hein, la l'arbitre a sifflé. 6 mètres. Eh. Mamadou Malik qui va dégager le ballon. Voici les trophées. Il reste pratiquement des secondes pour la fin de cette première partie. Alors, c'est la mi-temps. Oui. Alors, euh, tout à l'heure. Première période. On vit à zéro. Euh, un pour Diop, un pour moi, un pour Aïssé C'est zéro pour Tout à l'heure. Aşık. Aa. Gönder. Ara vay canlar yes. Vay canlar, vay canlar, vay canlar. Ara vay batılıyor, vay batılıyor. Bay, telate, dinke jambu mi gadane. Jai sar, man rap am dole, boku dole ji. Man dole halat halat nyaka, yore de sabos. Man dole ay, bay, dole say, say, kay, vay, ar kay, dole dole sikel, dole gawa dab, ah. Ondalo lare kadifa, dole sumare tigi. দিয়ে মিনারে লোকাল জি não é você! From here! Dousar on the mind. Doria Benica! Dousar! Dousar on the mind. Dousar on the mind. Dousar on the mind. Dousar on the mind. Dousar on the Додумай, додумай, додумай. Барабин. Sen bırak gider, beni ben, beni kan, beni acısını yok. are bateki, take the one that's here, tell me all about you. Rabbit said, yes, a goal. Let us come down, let us a lot I'm gonna you. nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, Don't look at gum in a bum, waiting for another come come, but I'm being fun. Quit ignorant. She said you like your grudge. Soon you might do what you're on, run like it's a fuss. Make it your best, make your present. Yo, but stay there, I'm a tool dog to the partan. Yakar, pacal, munaka. But I'm ready to the kaka. Don't run this big gum. Oh, you can't go for this big. Come up some gun, but you're bigger than the big. Yeah, come up. You're bigger than the big. Ah, Nigeria, Baru. Overly. Bogo Kawatiti, Merkarja, Halavi Munda Gol, Halavi Wanana, Munda Lumi, Tepas, Kawadap, Kedu Wudanga, Domu Samaki Kai, Arwani Kai, Alawani Kai, Alajaku, Murada Sabo, Dei Jo Ale, Kawar Chika Chikaro, Kai. Jangan jangan jangan jangan jangan yàgg nga di yuuxu way de amoo jëmukaay sa rab day tey bu diig de amoo jëmukaay yéen si ne yi moo ngi nii def na wéeru waay kii alaa jëdër alaa jëdër man du ma ragal am naa fit ba drop man jëm ba wu gay mi jaay

dama ciy ci lool su may loolu wuute naa li ko tey woo na ma ñu koy dégg ci xel bu leer waxuma laa bu dul li bëri la koy xamalu kan la bëri yéen fii la mooy sa sëriñ dafa du rek kan mooy sa njëriñ li ko tey ma fësal ko amul ragal ay noon jeex naaj bi tàngee mooy sa kër bu leen am rey bu leen Lafra, deuxième banc. Merci beaucoup. Un but à zéro. Attention pour cette deuxième période de cette rencontre ce soir. C'est le numéro 6, plan d'engagement, de l'autre côté, ballon sorti, Voilà, sur les lignes de pouce, récupération du ballon. Attention, ce numéro 32, le petit taille n'est pas négligé, c'est un joueur très déterminé. Il est de petit taille, mais très déterminé, numéro 32 de Alors, la remise en jeu assurée par Pagnas. Alors, c'est pas arrêté, c'est Pagnas qui va dégager le ballon numéro 2. Oh, du moins, toujours le numéro 6. Apo. Abração. Abração. Que ondo. Allora, loro se la, se la preparo. Algo se li dong. E si da sabe, algo se li dong, si va a degazer o balão. Pelo balão, olha. Isso é, mano. Alors, en quelques minutes du coup d'envoi de cette deuxième partie. Possession du ballon par les Par les pour le ballon. Attention. Euh, le numéro 12. Euh, attention, sortie du ballon. Bravo Kassar. Alors. Euh, attention, ça risque de tourner mal de l'autre côté. Merci. Ah. Ah, sortie du ballon sur le 10

corner pour Fali Sarr. Le coach qui est en train de parler. Attention le dégagement. Tetap Attention, On va essayer de dégager. Sidassar euh, qui essaie de assurer ce marquage qui passe. Euh... Alors, il y a fait. Euh... Alors, dégagement Mohamed Malik le pied de l'AFC Papillon, attention, c'est Sidat ça qui va dégager le ballon. Et le ballon est sorti. Sorti du ballon. Bagnas euh, qui va relancer Matos. Euh, alors, c'est remis en jeu euh, Attention, en Abdoundang.

Atau mau, atau mau, atau mau. কি paper Youssou Ndiaye ay c'est Diambar qui champion de Diogane pour l'instant il champion de Diogane pour la 13e édition ay c'est Diambar champion de Diogane du banc de l'AC Potillon qui est mené début à zéro. Est-ce qu'ils vont revenir à l'escore Le foot n'a pas une logique. Il n'y a pas de logique. Le football n'a pas de logique. Est-ce qu'ils pourront revenir sur le mars Ils ont mené 2 buts à zéro. AS Potillon. Ils ont mené un but à 0. Abdou est là. Il était sur le terrain. Il a été remplacé. Malheureusement, il est mené 2 à 0. Est-ce qu'il pourra revenir Le match n'est pas encore terminé. Sazou Soleil. Falissar Ali. Ali Sazou. Arbitre dit qu'il n'y a rien. Faudé. Faudé. Tout ça commis par Yaya Sané Est-ce qu'il se croit toujours Parce qu'il est devant ses deux billes à zéro. les ont 2 buts à 0. Malgré leur parcours, les monnaies aujourd'hui 2 buts à 0. Est-ce qu'il pourra revenir sur la marche Ali Diouf. Faute pour Assé jamba tuma kare jaay gaay koy digal apo ma arbitre eh arbitre ngi mo dina fop ana di wano ne ndaga na nyakanno tere seko sen seko ali ngi moy fop rek mais fop indoy ana ke tolo ko indoy inga ta amen ina moy ngi ma fop ngi eh lawena petit lion il faut rek o xawa wala xawena rek dem mu ñib nga andi jógaan rek nga ñëw léegi ma foofa paas jërëjëf. Ansu Diop keneen pare fane na édition fane treizième édition tournoi de Diogan 2022 2023 pare fane Moga makin natin gayon. Nang ano na? We ogan sa kuma ba? Anjanganan tira din. Hindi man din tira pa pa. Dati na kini din tira pa. Kaga pa ba ngai dam? Le gid masare hoy fuk. Gid ma जोरते हो गीत माँ गोर के लिए गाना देने पति उसके गाने थे गेनोटा के पार का लासे तेरे बगड़ा के साथ बने iloto wana indi ale jege dara fuga solo ñum agara ka tan fata ko sittay ngor gay tan fata lanta difti agara ka tan babu gara pake na ba tuba way na lufa ma fi na na uyu ma toro yu ma ya na uyu ma to ba gare be ke wona ina wala la ka gay tam o mata ayo ko kam ke te ya tan de tuba fane boy ke ne la taw jofa do ma ko sagade ro ki kam ngor gay mais heɓɓango kene sate waɗe fof in ɓato lelto jof par ce que o jof soni ante mais gidma fof remercier a koy leya dene gidma waɗena paax paax assalam in we simna kene koy o ga'anga ten ref o nangan organiser a nanga na wonita heure ke andoona yee ten ref ten a fi'angaan ngaxay maak yaam ɓaat to waxe anda fogrena a mosa trop vraiment ke layka andoona yee saate fene surtout ngoor ke nu nga'anga ino wene i njef maak i njef maak i mbaag o ɗokit jaf nuun i njaɓaan o njap to i timaña yit oxa leene yit ten dara nda nu ande naak i ndef no kas ka refna tena o tarfanga a fanin affaire l'islam mo ɗifayi ɗo anda ɗon ha yoɓɓe dane o janga l'islam bane fufani bo foge sa ɗo l'islam ba arde ɗeno ɗem men wala yamala repara islam are foko ɗemna abdu kon tara fefke fokata in wan nuun nukane num ga rek mbiye kam nuun nu nganga moƴo sama ten to ndax nu mbeɗ kamna nu mbeɗ ama men nu joɗa men joyi trope fane ka tig kayma femae kon yaga xane aja nu mbasan kas ke tawalera ɓaɗa i ngidma yayam yayam marayi fefe jambar ref

asisten terlanjut kandang mana kota nomor daerah oh, Osman Ala Abu Kena Tujuh Osman Kena Tujuh Kan Bukan Bagaimana kita Abu Zul Kena Tujuh Medal Asyik Terhati Nol Di terminal सोलह नौ ऐसे पटुलिया बेलाजू बेलाजू सलाम बेलाजू सोलह बल्ला का मकाई करता वाला मैं समझो तुम वहाँ Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Angoban, Aipe Jamba, Kanada from Alumno, Alumno Kanada from Alumni, Alumni, Alumni, Alumni, How's it going? Zorgen, Zorgen, lekker door, lekker door. Jordan, look at your material. Look at your, look at your, Jordan. Jordan, look at your. Size, size, size, jump back. Size, jump back, look at your. Size, jump back, look at your. Champion de Jordan. Alın ben kullanmak için ne dayanır? أولك أولك أولك خالص Sampai nujung tangan itu. Satu satu dong, Maya Masen. Oleh Bapak Tembang, kelihatan. Weh, nyamuk juga. Ya, jadi juga. lamin Kalau tadi kita ambil lamin kami mau. Kami mau itu lah tadi kita ambil kole. Yes, kita masih tak bagus. Alors, meilleur joueur du tournoi, Kodendong AIC Jamba. On a fait envoyer Ousmane Diaye ke Amindang. Amindang Ousmane Diaye, tim Okobuka Ambolokone. Alors, meilleur, meilleur joueur du tournoi, meilleur joueur Kodendong. Namoudoua, Namoudoua. Merci ah. Kodendong. namujwa hii naje mumujwa orofanjo gore ko man tawna de na tere lande na fu ko de ko de ndom हमारे शासन एक बीस संपन्न होने आशे पटेलुआ उस्मान भाई लावानो Masai Yalo. Rotino. Aja petilio, Mario, Mario, Mario mendokannya lamnya tanya. Aja petilio. Équipe vaincue. On est pas des minutes. Coach, on est pas Alors, euh, vous n'avez pas démérité à euh, ce quotidien. Vous avez une toute vos force pour rattraper le score. Malheureusement, le bon a décidé autrement. Vous n'avez pas démérité. Vous n'avez pas démérité. Toutes nos félicitations, toutes nos félicitations. Merci beaucoup, cette Cotillon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. ऐसे पटुलिया उन्हें साधन में रहते हैं कुछ मैदान तो को राजना कुछ मैदान को राजना सेबो सेबो सेबो सेबो लेट सिपको सब चंद्रली पटुलिया गाड़ी जाओ ekip campion ekip campion jodohkan IC Jambar sebuah felicitasi IC Jambar menyuruhkan kokono namun mantan lateral coba yang gaya lateral ini mantan mungkin boleh nun kami jangan kokono Merci beaucoup. En ce jour, Mamadou Diouf, Kononakobutwa umetayapa walongalonga wamera koso Essa Ndiaye coach sélectionneur de l'ASC Diambar Essa Ndiaye merci beaucoup Baye Niass merci beaucoup nang yo nang yo nang yo médaille vraiment ñu mérité am Istilahnya incontestável, incontestável. Zero foto, zero jumlah, zero foto aja jumlah, zero Alors, il repart à l'endroit de Michael Sopino. Il fait un contournement pour les joueurs de Michael Sopino. Maintenant, ça va être un contournement pour Taïda, le père et la mère. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, capitaine Gambar, vraiment Gambar, notre capitaine aussi, numéro 8. Allez, le capitaine de l'AIC Jambar qui va recevoir le trophée de ce soir avec OZÉ de maillot rouge blanc. Attention, le capitaine. Champion de Jogan. Le capitaine qui va recevoir euh, le trophée. AIC Jambar, champion de Jogan. AIC Jambar. AIC Jambar. Ils vont soulever la coupe, AIC Jambar. Ils vont soulever la coupe.

Maintenant, le tenant du le tenant de est champion pour la 13e édition. Vraiment, merci beaucoup. À ces petits lions aussi, vous avez performé. Merci, merci Jogan. Merci pour l'espoir. Merci beaucoup, c'est bon. Merci la FIFA. Merci la FIFA. Vive Aïssé Gambar. Vive le football. Vive le football de Jogan. Vive la finale. Fiesta t r a n c o n t r o l ce soir, qui oppose l'ASC Cotignan et l'ASC Gambaro, qui est l'équipe Sanko. Merci beaucoup. je veux m'appeler à m n s e u pour le savoir. Merci pour l'être la propre. Surtout l'organisation de la propre. On est l'être la propre. L'être la propre. Merci pour l'être la propre. L'organisation de la propre. mais Barcelone point Cameroun ten manqué au Petit Lion Petit Lion on awa ɗeeta milieu den a jang jam milieu fene den a jang jam to ka awa ref forte point ke kaga jam kaga récupéré u ken taxu nawa ɗeeta match fene no milieu terrain fane xa tewa pala ke no milieu terrain fane xa tew a ɗeeta no camp adversaire donc Petit Lion kaga refu ke andoona yee mbaɗano baro corriger malheureusement corriger corriger iran bo te a a parce que vraiment jàmbaar daanaka jël ko jóor kenn dafa bàyyi far o ga'awa jàmbaar rek ga a affiche bo o ga'awa jàmbaar ga a affiche bo mayee dese to am be bo pare a mbi'e mbi devant les buts malheureusement score fane sax waaga ɓaato neen deux buts a ndoxan mais mbaag a ndoxan quatre buts donc on awa déjà de façon générale kaaga rek waaguma lay ten vraiment affaire a trop in ma daan a yaasam in ma da kiida ke na a kiida ke na ngara aussi in ma daman yaasam ten o kiida ke a